Le journal. Le journal. En français facile. Il est 22h à Paris, 2h de moins en temps universel. Bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir. À votre avis, quelle est la vraie raison pour laquelle euh, Macky Sall reporte euh, l'élection présidentielle Euh, quelle question euh, aucune raison. Aucune raison. avant moi, j'étais pensé que Macky Sall a, a poussé les élections à raison de, à cause de euh, euh, euh, une pandémie ou bien une guerre. Mais moi, vraiment, je ne comprends pas. Lorsque que dit regardez jusqu'au bout, vraiment. Euh, il a fait de euh, il a fait de Euh, dama am kàttan waaw parce que le Sénégal n'est pas un petit pays qu'on peut euh, on peut euh, faire la distribution njuuj njaaj comme ça dans ce pays vraiment la population ne peut pas d'accord ça wax dëgg yàlla parce que Baye Aly Sène c'est la population sénégalaise qui sont qui sont qui la fal wax dëgg yàlla parce que Euh, vraiment, euh, ce qu'il est en train de faire comme ça, c'est une, euh, c'est une violation de la, de la concession, c'est une violation de la population, c'est une aussi violation euh, des droits. vraiment, parce que le Sénégal, nous étions au fond de l'Afrique. Nous étions au fond de l'Afrique. S'il fait quelque chose, personne ne comprend. Parce que nous le Sénégal se trouve au fond de l'Afrique. Voilà. Euh, s'il est en train de faire des et des choses, personne ne peut comprendre ce qu'il fait parce que vraiment le pays est très dur. Donc euh, la population sénégalaise sont tous refusés de ce que le président Alicen est en train de faire. Parce que le président Alicen, pour le moment, on ne dit pas même le président, on dit Monsieur Alicen parce que pour le moment, moi, je suis le président supplémentaire de la République du Sénégal. Donc, ce qu'il est en train de faire comme ça, c'est une violation euh, domicile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire même que le monsieur le c'est une Française. Donc, nous, nous sommes des Sénégalais. Comme il est Français, il n'a qu'à aller en France. Nous, nous sommes des Sénégalais. Ok. Donc, dans ces pays, avant tout, euh, les choses qu'il est en train de faire comme ça, parce que chaque histoire a un début. Les blogs, nous avons euh, euh, le, le, début de son projet de l'annulation des élections 2024, euh, il a fait des sondages. Il a fait des sondages parce que avant il voulait faire la troisième mandation. Euh, il y a un opposant qu'on appelle Baye Ousmane Sonko, il a refusé de le laisser faire. Il a refusé de laisser faire. Maintenant, à il est un, peu fâché contre euh, euh, le président Ousmane Sonko et des, euh, opposants. Donc, maintenant, après, comme monsieur le président Ousmane Sonko est très populaire, est très populaire, vraiment, même si je vous dis la vérité, si je vous dis la vérité, même les bébés de 1 an, 2 ans, ils sont les par Sonko. Moi, j'ai un mouton chez moi, il l'aimait par Sonko. Même les animaux l'aimaient par Sonko. Et là, le président de la République, l'ex-président de la République, Dimanche, a regardé ça. Ah, il, a, euh, il a regardé tout le monde se retient un les mains Ousmane Sonko maintenant. Euh, il, ne, sait pas comment faire. Euh, il savait très bien que s'il allait aux élections, il va prendre Ndare. Un euh, il va prendre Ndare. Vraiment, après, il a regardé la situation, la situation un peu dure. Après, il a provoquer quelqu'un dans ce pays. Mais la provocation, euh, c'est une provocation scientifiquement. C'est pas lui qui l'a provoqué directement, mais le problème a démarré euh, avec une femme euh, qui est vraiment. Moi, je ne comprends pas. Et ils sont dit, euh, a bah, fait une viol dans cette femme. Après le show et, après la situation, lorsque le le juge a regardé la situation et la situation. il a euh, dit à Ousmane Sonko qu'il n'a pas été touché la femme. Madame Après la situation, Ousmane Sonko est, est, non coupable dans cette situation. Après les quelques mois passés, euh, euh, après on a dormi dimanche, on a quelques mois, et on a dit que M. Ousmane Sonko a volé un téléphone. Oh, ça c'est pas raisonnable. Ousmane Sonko. Billahi, wallahi, s'il besoin de téléphone, dans 24 heures, il va, il avoir 35 897 000 conteneurs de téléphone. Le téléphone de deuxième génération. Parce que le pays, l'aimant Baye Ousmane. Après, on a attrapé Baye Ousmane, on a barricadé sa maison, etc. etc. J'ai en train de rencontrer une très longue histoire. Vraiment, que euh, le tchou a débuté parce que les loo c'est que nous am après on a attrapé Baï on a euh, rentré Baï dans les ngam aux prisons ah toujours euh, si a croyé que si il attrape Baï Sonko direct aux prisons le nom de Baï va va faillir Et alors tel n'est pas le cas. Lorsque ce monsieur a rentré au prison, euh, Ousmane Sonko, il a encore à voir plus de buzz. Son nom est encore plus haut qu'avant. Alors, le président haïtien, ex-président haïtien, a regardé la situation. Ah, il a dit que jusqu'à présent, la situation n'est pas changée. Monsieur, vraiment, c'est une dîne. Après, lorsqu'il l'a fermé, et, il voulait, et, après à organiser les élections, mon monsieur Baye Alessène a pris le monsieur Amadouba pour qu'il soit candidat. Mais après la situation, personne ne veut passer monsieur, monsieur Amadouba, parce que nous ne l'aimerons pas. Nous ne l'aimerons pas. Vous avez étudié le verbe aimer au présent de l'indicatif. Nous ne l'aimerons pas. Après, Ousmane Sonko aussi a choisi un candidat qu'on appelle Bassir Diomaye ah, donc, le ex-président de la République du Sénégal, M. Alessène, a regardé la situation n'est pas changé. Et il a fait la formation, les élections. Vraiment, ça, personne, il ne plaît pas à personne au Sénégal. L'annulation des élections présidentielles, vraiment, euh, ça nous touchait au fond du cœur. Ça nous touchait au fond du cœur parce que il n'a pas le posé, tu vois, Iran ou au bâtiment. Qui n'a sur donc euh, jusqu'à présent il a refusé d'organiser les élections mais c'est des fake news il va organiser les élections ci Waja Awo Batiman parce que la population sénégalaise aujourd'hui même vendredi ils sont prêts à sortir dans les rues il n'y a pas de fumée il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de frappe personne la population veut faire une marche massivement Eh je lance un appel aussi solennellement à nos forces de l'ordre que n'est pas frapper la population. Parce que la population de nous les mettre dalle. Moi, je crois que les forces de l'ordre de notre pays, ils sont là pour protéger la population. bâtiment. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous. Euh, maintenant, après cette situation, il a euh, influencer quelques députés, ces députés même avec les députés de Baye Karim, ils ont voté un quelque chose pour reporter l'élection, mais le discours même, euh, l'audience de la, euh, l'audience de la, de la euh, arène nationale, alliance ensemble nationale, parce que là-bas il y a chaque jour bagarre l'ensemble national du Sénégal est, est, seul dans le monde. C'est le seul ensemble national qui se transforme, euh, qui se transforme en arène nationale à l'heure de leur euh, euh, euh, euh audience. une bonne audience ne dañ pas en arène nationale ba kere ñuy juboo ndax donc la conseil constitutionnel n'a pas encore prendre ses dispositions ils sont en train de déposer les plaintes tout, les plaintes rec. Euh, le juge est indépendant. Moi, avant, j'étais un juge. Mais j'ai jamais fermé personne. Moi, j'ai jamais fermé personne parce que, de Allah, on rôle d'arrêt. On rôle peut Si les gens sont venus pour des problèmes, vraiment, je regarde comment négocier les problème. mais le juge d'aujourd'hui ferme tout. On est fermé, fermé, fermé. Mais a fermé. Je fermé c'est ça euh, vraiment euh, aujourd'hui à 15 h la population sénégalaise et sénégalais sont prêts pour faire la sortisation dans la rue parce que c'est que Baye Ali l'ex-président de la République du Sénégal voulait faire ça ça ne passera pas on ne le laissera pas faire c'est forme de troisième mandat modernisé parce que bah, sait qu'il est en train de faire comme ça. Nous, au Sénégal, lorsque nous sommes des petits, nous avons def temps boy yini. Nous avons def temps boy. Oui, nous avons temps boy. Wow, oui. Euh, en français, je, ne comprends pas comment dire. Euh, euh, Ça, c'est Alicien qui est en train encore de faire ça, mais il a modernisé le lambigolo Koudjekdan, il l'a bien modernisé. Et ça ne passera pas dans ce pays. Le pays réclame le président Ousmane Sonko ou Diomaye Iran Agwa Batiman. Parce que la population, écoutez-moi attentivement, ils sont en train de dire que Sonko est Diomaye. Diomaye est Sonko. Un point, vous virgule, chers compatriotes moi, en tant que le président supplémentaire de la République du Sénégal, je demande, euh, euh, je lance un appel solennellement. Parce que c'est que Baye Alessène est en train de faire ça, ah, ça ne passera pas. bañuñu ci ba bët bu nu saañum ngeer bañuñu ci ba euh, pàccalkaani guwaanaa suñuy bët bañuñu ci be di xëy di fanaan ci mbedd mi ci wa jairan ak wa batiman parce que vraiment pour former des élections dans ce pays vraiment il y a aucune raison moi, lorsque j'ai diagnostiqué la situation, Baye n'a pas déposé les choses dans aucune raison. Donc, moi, adjoint, euh, moi, le président supplémentaire de la République du Sénégal, je réclame des élections. Tiwaja Batiman, et eh, laisser ces choses qu'ils sont en train de faire, ça, c'est pas raisonnable, c'est des choses de euh, banditisme, ça, c'est de la banditisme, hein. ça, c'est de la banditisme. Ça, c'est de la viol. Ça, Il est plus dangereux que la viol. Parce que la violation de la constitution, c'est pas tout de raisonnable. C'est pas tout de raisonnable. C'est pas tout raisonnable, hein? C'est pas tout raisonnable. Ça, c'est une vraie formule de violation de la loi. La loi est seule et individu et la loi est, à son indépendance voilà la loi a son indépendance loi ah, parce que ça vraiment la tort est de la conseil constitutionnel parce que la conseil est très indépendant donc ce qui se euh, fait, ci li ñun xamuñu ko ñun wax c'est ça discours euh, vraiment. Euh, je suis vraiment content en tant que le euh, président supplémentaire de la République du Sénégal. Euh, je suis très Merci beaucoup. Et merci à vous aussi. Merci. Le journal. Le journal. En français facile. Il est 22h à Paris, 2h de moins en temps universel. Bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir